forum Il vient d'être 18h à Niamey, fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés dans une vingtaine de départements du Niger ainsi que dans toutes les capitales régionales grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires. À vous pouvez nous suivre sur Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Vous pouvez également avoir accès à nous à travers notre page Facebook Studio Kalangu ou notre site internet www.studiokalangu.org. Bienvenue dans votre émission Débat, le forum du Studio Kalangu, un rendez-vous quotidien que nous vous donnons à la même heure du lundi au vendredi avec des personnes ressources dans le but euh, essentiel d'apporter des réponses appropriées à des questions d'actualité ou de société qui vous taraudent parfois l'esprit. Ainsi, allons-nous nous intéresser ce soir à l'usage correct de la langue française. Le français qui constitue, faut-il le rappeler, une grande langue de communication internationale. L'Académie française la considère de ce point de vue comme étant la langue étrangère la plus largement apprise au monde après l'anglais. Au plan national, il est dit dans l'article 5 de la Constitution du 25 novembre 2010 que la langue officielle du Niger est le français, ce qui suppose que tous les citoyens du pays sont appelés à la parler correctement selon ces règles. Cet effort s'impose beaucoup plus aux acteurs de l'administration, aux autorités, aux communicateurs qui sont des personnes sur lesquelles les autres s'inspirent pour mieux parler la langue et bien entendu aussi et surtout aux enseignants, ceux-là même qui forment tout ce que j'ai listé plus haut. C'est donc dire qu'en matière de langue, aucune erreur n'est à cautionner et la responsabilité incombe aux personnes susmentionnées de veiller à cela Comment comprendre alors ces multitudes de fautes d'orthographe et de grammaire souvent visibles sur des panneaux dans la rue, sur des banderoles à des grandes cérémonies auxquelles prennent part des officiels et parfois en présence des partenaires étrangers que dire des fautes courantes écrites ou parlées des journalistes de l'audiovisuel et de la presse écrite est foi lorsqu'une personnalité ou toute autre personne censée maîtriser la langue prononce une expression incorrecte que faire face à ces récurrents problèmes d'expression non conformes qui prennent paradoxalement de plus en plus d'ampleur et qui apparemment ne dérangent pas grand monde Quelles sont ces fautes que nous commettons le plus souvent quelles en sont les raisons Que faire pour améliorer cet état de fait qui concerne plus ou moins tout un chacun Qui est censé veiller au bon usage de la langue dans un pays et pourquoi l'on hésite à corriger son prochain c'est à toutes ces interrogations que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec nos invités de ce soir, composés d'un ancien instituteur. Aujourd'hui, bien qu'étant à la retraite, ce sujet lui tient à cœur et constitue même désormais son quotidien à travers l'émission très didactique qu'il présente à la télévision nationale Télé Sahel. J'ai nommé le vieil instituteur. Monsieur Al-Mokhtar bonsoir. Bonsoir. Un deuxième invité dans ce studio, c'est M. Souman Chamsou, écrivain et professeur de français au lycée. M. Souman Chamsou, bonsoir. Bonsoir. Enfin, nous avons l'honneur de recevoir pour la seconde fois dans le forum du studio Kalangu le médaillé d'or en littérature, le premier au Niger au jeu de la francophonie, les huitièmes tenus en juillet 2017 en Côte d'Ivoire pour sa nouvelle intitulée L'homme qui donne des baisers au vent. Monsieur René Razak, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Michel Dejeu. Bienvenue donc à tous et merci à vous, chers invités. Nous commençons avec vous, Monsieur Suman Chamsou. Actuellement, quel constat faites-vous de l'usage correct de la langue française en ce qui concerne son utilisation, l'expression écrite, mais aussi orale de façon générale Quand on voit aujourd'hui le niveau des élèves jusqu'en terminale, c'est déplorable parce que euh, vous pouvez trouver des élèves de terminale qui ne peuvent pas dissocier à l'écrit le A, les homographes AA A, mhm. ou ou et et. Cela est fréquent dans toutes les classes. Et à l'oral, aujourd'hui, il y a un problème sérieux qui est lié à la politique euh, générale de l'enseignement au Niger. Je ne suis pas d'accord que mhm. en Afrique, on puisse avoir plus besoin de scientifiques que de littéraires. C'est les littéraires qui conçoivent. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue ne peut pas concevoir. Avant d'accéder, la, la science, et les techniques. C'est une application directe des matières hein, de la nature. Si vous ne maîtrisez pas, il n'y a pas eu un développement spirituel en amont, on ne peut pas être scientifique. Voilà. Monsieur El Mokhtar présentateur de l'émission didactique Le Vieux Institut. Vous, euh, quel constat faites-vous euh, au niveau de l'usage de la langue Nous sommes d'ailleurs dans la semaine de la francophonie. Pouvez-vous nous dire les expressions ou les fautes euh, qui sont souvent commises par les citoyens, que ce soit des fautes d'orthographe ou de grammaire Eh bien, avant d'en arriver là, vous avez parlé du statut de la langue française. Mm-hmm. Vous avez dit que c'est la langue officielle de communication mhm. et de travail. Tout à fait. Et dans les programmes de l'enseignement du premier degré, il est dit ceci. C'est-à-dire le primaire. Oui, le primaire. Mhm. C'est cet enseignement ne doit souffrir d'aucune considération restrictive. Mhm. C'est-à-dire la langue française Mhm. doit être apprise dans toute sa plénitude. Mhm. Si vous ne possédez pas la langue, vous ne pouvez pas comprendre l'énoncé. Mhm. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être scientifique si vous ne comprenez pas la langue. Donc, pour cela, il faut nécessairement que les gens vraiment reviennent à la raison pour vraiment améliorer l'enseignement de cette langue. Évidemment, le spectacle affligeant des fautes que vous voyez sur les, banderoles, nous nous appelons ça l'école de la rue. Je peux me permettre de vous dire les conséquences tragiques du, du mauvais langage ou de la mauvaise orthographe. Une histoire, un élève a écrit dans sa rédaction dispensaire avec la diphtongue AN au lieu de EN. Le professeur a corrigé, dit non, vous avez fait une faute ici. Ce n'est pas AN dispensaire, le AN, mais EN. Il dit non, monsieur, je n'ai pas fait de faute. Je l'ai vu quelque part. Cet élève l'a vu sur une plaque quelque part dispensaire avec AN. Son subconscient l'a enregistré. Vous voyez bien la catastrophe. Donc cet enseignement n'appartient pas seulement aux enseignants des classes, que tous ceux qui doivent faire quelque chose dans la rue pour le grand public doivent s'appliquer pour qu'il n'y ait pas de faute de syntaxe, d'orthographe, etc., etc. Ils doivent au mieux vraiment épauler l'école. C'est un constat. Et c'est sans oublier ces fameux réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle texto, dans lesquels vous avez toute cette fantaisie qui mène en rien. Et il y a aussi nos officiels qui doivent faire beaucoup d'efforts parce que c'est des hommes du public. Quand vous prononcez quelque chose, eh bien, arrangez-vous vraiment à le dire au mieux. Parce que vraiment, vous êtes le prolongement de l'école. Vous êtes, euh, si vous voulez, la personne modèle. quand un ministre a dit, ben, il a dit. Quand un gouverneur a dit, il a dit. Donc, vous voyez bien, ça fait foi. Donc, il faut faire extrêmement attention. Au-delà même de l'oral, quand vous prenez quelques correspondances administratives, c'est la même catastrophe. C'est, vous voyez, c'est une éducation générale. C'est à ça qu'il faut s'atteler maintenant pour améliorer les choses. Nous avons, nous l'avons dit au tout début de cette euh, émission, le médaillé d'or euh, de la francophonie en ce qui concerne euh, les derniers jeux, les huitièmes qui ont eu lieu en 2017 en Côte d'Ivoire. Monsieur René Razak, quelle euh, analyse faites-vous de cet usage de la langue française un peu partout dans l'administration, entre citoyens, euh, de façon générale, la manière avec laquelle la langue française est utilisée dans notre pays L'analyse euh, aboutit à un constat général, vous savez. C'est une catastrophe actuellement. C'est d'autant plus catastrophique que souvent euh, le français apparaît comme euh, une langue qu'on est en train d'abandonner, en fait, que ce soit euh, dans les écoles, en termes d'enseignement. Tout à l'heure, Chamsou l'a dit, en termes de direction de politique de l'État, donc dans les écoles, et en termes même de façon courante de l'usage que fait la population de cette langue. Moi, je suis un pur produit de la science et de la technique. Je suis ingénieur. Euh, j'ai fait d'abord le lycée technique de Maradi. J'ai fait la série E, qui est la série C plus les matières techniques. On compose les mêmes épreuves que la série C, mhm. mais on va au-delà, pour ceux qui en savent. Et au-delà de ça, à l'université, j'ai fait de l'électromécanique. Mais j'ai commencé à écrire en français depuis mon bas âge. Peut-être parce que quelque part, j'ai pu me rendre compte que par la science, on ne peut pas tout exprimer. Mhm. Et qu'on ne peut pas arriver à la science sans d'abord maîtriser la langue avec laquelle on énonce. Tout à l'heure, le vieux l'a dit. On ne peut pas comprendre cela sans avoir autant une assise en français, un bon apprentissage. Mhm. Et j'ai eu la chance peut-être d'avoir des enseignants formidables depuis l'école primaire dans les mhm. années 90 mhm. qui m'ont très vite insufflé cet amour de la langue et que par après, ayant choisi d'aller vers une option scientifique, mhm. je me suis toujours, c'est-à-dire euh, aligné de cette idée que je ne peux pas apprendre la science tant que je ne maîtrise pas le français. Aujourd'hui, eh, nous écrivons. Moi, je, veux beaucoup plus parler en tant qu'écrivain. Nous écrivons, mais dans ce que nous écrivons, il y a toujours ce doute. Ce doute de savoir vers quel public on va, vers quel public on destine ce que nous écrivons. Donc, du coup, la, langue française avec laquelle on écrit, quand on la voit dans cet état, on se pose beaucoup de questions. Certains écrivains ont osé aller euh, au-delà de, ce qui leur a été offert. Par exemple, Amadou Kourouma, l'ivoirien, était allé jusqu'à malinquéliser la langue française. Parce que mm-hmm. quand vous le lisez, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, quels sont les malinqués qui ont lu Amadou Kourouma des écrivains comme euh, Boubacar Boris Diop, il avait arrêté d'écrire en français pour écrire en Wolof. Mais quels sont les wolof aujourd'hui qui ont lu Boubacar Boris Diop C'est ça la question. Donc, le Hausa, que ce soit le Djarma, que ce soit toutes ces langues nationales que nous avons, je crois que c'est une utopie. C'est une utopie parce que il y a beaucoup plus d'efforts à consentir pour instaurer ces langues nationales que plus de valoriser une langue qui est mhm. déjà assise, qui a eu un certain, une certaine apogée, qui n'est pas encore morte. Je suis désolé, qui est en train de vivre. Le français est, toujours sur ses, sur ses pieds, mais que euh, de par l'usage que nous en faisons, on constate que la catastrophe ne fait que, que s'agrandir. Et nous allons revenir, oui. Monsieur Soumane Chamsou, à votre niveau, ou est-ce que de façon générale vous constatez les fautes euh, Est-ce du côté des communicateurs, du côté des autorités ou en tant qu'enseignant, ou est-ce que vous avez l'habitude de voir euh, des cas de phrases incorrectes ou d'expressions euh, impropres Chez les autorités, c'est surtout les fautes qui sont liées à l'usage des verbes transitifs directs et transitifs indirects. Mhm. Vous savez très bien qu'il y a des verbes. le problème est lié aux prépositions. Mm-hmm. Il y a des verbes qui sont accompagnés avec des prépositions. Il y a des verbes qui ne nécessitent pas une préposition. Donc les gens utilisent des verbes transitifs directs accompagnés d'une préposition A ou D. Mm. Ça, j'ai, c'était en 2012, j'ai commencé à faire un travail dans le discours mhm. de beaucoup d'autorités. Sincèrement, et en ce temps-là, il y avait Alfred Dogbé. Je, commençais même à lui soumettre. Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire même de, mhm. de, son décès. Donc, euh, je disais à Alfred, voilà des ministres, voilà le président même dans son discours, voilà, il me dit, non c'est un problème de protocole. Ce n'est pas le ministre qu'il faut voir. Ils ont des gens qui doivent rédiger hein, leur discours. Donc ça veut dire que ce n'est pas eux qui sont incompétents, c'est un protocole. Ils doivent avoir le dernier mot. Quand vous êtes autorité, une phrase incorrecte, vous ne devez pas la lire telle qu'elle est. Mais souvent, est-ce que l'autorité, même sait s'il y a la phrase incorrecte Donc il y a euh, le pas de responsabilité. le problème de palier à, Palier A. Palier A. Et ça, j'ai remarqué dans plusieurs discours, même aujourd'hui. Vous allez voir des autorités qui vont parler de palier A. Ça ne se dit pas. C'est palier. Et on met directement oui, le COD. Transitif direct. Mhm. Il n'y a pas de A. Ça La proposition n'existe pas. Mhm. Il y a l'utilisation de don et de que, les pronoms relatifs. Là, quand on suit à la télé, même les journalistes, ça mhm. c'est chez les journalistes que je trouve ce problème-là. Je ne sais pas votre rédaction, comment on fait la rédaction, puisqu'il doit y avoir un rédacteur en chef qui doit corriger avant que le journaliste ne vienne lire. Mm. Mais on le voit, on l'entend et on constate que c'est normal. Ce que le journaliste a dit, c'est tout à fait normal. j'ai mm-hmm. Je me suis amusé en classe avec des élèves. J'ai remis, j'ai enregistré, <laughs> je vous le jure, j'ai enregistré des euh, comment dirais-je des, des reportages de, non pas reportages journal télévisé mhm. journal télévisé j'ai dit aux élèves qu'est-ce que le journal journaliste dit ici voilà la phrase reprenez écrivez-moi la phrase cherchez-moi la faute en terminal A il y a une seule fille qui a su qu'il y a une faute mhm. donc ça veut dire que si les, les élèves de terminal A ne savent pas eux-mêmes l'usage de que, quand est-ce qu'il faut utiliser que, quand est-ce qu'il faut utiliser donc mhm. ça veut dire que c'est un problème sérieux. Ce sont ceux-là qui, dans cinq ans, vont devenir les politiciens qui vont encore venir tenir les mêmes discours. Tout récemment, on a interviewé euh, un ministre qui parle euh, à l'improviste, mhm. dit Je les ai dit, je leur je leur ai dit. <laughs> <laughs> oui. je leur ai <laughs> dit. J'ai dit, mais vraiment. Et c'était avec euh, madame, j'ai dit à madame, elle fait souci j'ai dit, vous entendez les autorités. <laughs> Maintenant, quand un, de nos élèves va venir dire ce, problème-là, voyez, c'est des choses qui sont courantes. À la mhm. télé, ça passe. Et aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qui fait cela On ne regarde pas la compétence. Donc, c'est ça le véritable problème. les administrations doivent tenir compte de la formation des gens avant de les nommer à des postes dans le protocole. Chacun a une fonction. On doit savoir. Et il y avait un de nos professeurs, Ahmed Melele. J'étais en deuxième année, il était à côté du président Tanja. Et il venait nous dire, lui-même, il relevait, il relevait les fautes des autorités. Il venait au tableau, dit, corrigez-moi cette phrase. Ah, on dit non, monsieur, ça, se dit ici. C'est bon, pourtant, c'est une autorité qui l'a dit. Mais il ne nous dit pas c'est qui. Mm-hmm. Donc, ils sont là. Les professeurs de l'université aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont conseillers, soit à l'Assemblée, soit à la présidence. Ils sont à côté des ministres. Donc, ils sont dans les directions euh, nationales. Ce sont les directeurs nationaux de certains ministères. Donc, ils peuvent, ils peuvent vraiment essayer de corriger. Quand euh, aujourd'hui, vous, on vous demande, Michel, de passer le journal et euh, que sans vous rendre compte, vous êtes venu, vous avez pris, vous commencez à lire. Vous-même, quand vous faites la, vous lisez la phrase, à partir d'un instant, vous pouvez revenir pour montrer, pour voir quand même que cette phrase, il y a quelque chose qui tique dessus. Ou bien, après, même si c'est passé, en sortant, vous pouvez attirer l'attention de la rédaction qu'il y a dans ce que je viens de lire, dans ce que je viens de présenter, une faute. Demain, il faut faire en sorte que nous soyons vigilants. Mais souvent, vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi Parce que aujourd'hui, au Niger, les gens ont problème de correction. Je ne sais pas, nous ne sommes pas éduqués de la manière par laquelle il faut corriger les gens. Qui, parce que souvent, quand vous corrigez la personne, ça devait, il, est directement frustré. Mm. Vous voyez, directement de la frustration. Maintenant, je ne sais pas si la manière dont nous passons pour euh, corriger les gens qui est la mauvaise manière, ou bien c'est notre mentalité qui fait que nous sommes orgueilleux, nous refusons la correction dans tous les cas, on a intérêt à se corriger. Et nous, dans le journalisme, justement, on dit euh, vaut mieux être corrigé par un confrère ou une personne oui. que d'être sanctionné par le public qui n'admet pas l'erreur. Il y a beaucoup de fautes comme ça. C'est vrai, quand on s'amuse à lire un peu, on voit euh, quand on permute nuit et jour. et Il y en a qui hmm. disent euh, jour et nuit alors qu'on ne voit pas la liaison. Hmm. Il y a 80 ans, on ne sait pas s'il hmm. faut dire 80 ans, ou 80 ans alors que c'est 80 ans. Nous avons des expressions comme euh, quand c'est le football, il y en a qui disent les huit équipes. Euh, pèlerinage, lorsque c'est à l'écrit, on ne sait pas où est-ce qu'il faut mettre l'accent. On ne sait pas l'accent est où, il y a deux accents ou un seul, comment est cet accent. Est-ce un accent grave ou un accent euh, Je fais la... Oui, fais la remarque mhm. aux élèves. Les gens disent les trois N. Mhm. Où est-ce qu'on peut faire la liaison avec N, c'est une consonne. On dit le programme Les trois N. Mhm. Et les autorités le disent. Oh, il n'y a pas de liaison avec une consonne. Hein, la liaison se fait avec une voile. On dit les trois mhm. N. Les trois N. Ça s'arrête pas les trois N. Il n'y a pas de programme trois N. Il n'y a pas de liaison avec une consonne. C'est la langue comme ça. Nous ne créons pas. Mhm. Donc, mais vous allez voir, dans des discours, les gens disent le programme spécial du président de la République, les trois N. Il n'y a pas de trois N. Merci, c'est un professeur, c'est un professeur de français qui dit cela. Euh, donc, euh, mm-hmm. que <laughs> nous vivons, c'est le produit évidemment de la formation initiale même de nos enseignants. Parce mm. que je voudrais en venir là. Si nous voulons solutionner des choses, il faut partir de la formation initiale. Les, et eh, les recrutements dans les écoles normales se font à l'emporte-pièce. C'est malheureux. Ce ne sont pas des enseignants qu'on veut. C'est des gens qui vont dans l'enseignement et ils l'ont considéré comme gagne-pain. Ils n'ont pas l'amour du métier, donc vraiment, ce qui en sort, ce ne sont pas des enseignants, il faut le dire de manière claire. Il nous faut des enseignants performants. Donc, pour moi, il faut tout casser et recommencer si vraiment euh, on ne veut pas qu'on aille à la dérive totale prochainement. Oui, Monsieur René Razak, euh, nous avons vu toutes ces différentes fautes que nous sommes euh, souvent tentés de commettre. Je me rappelle récemment qu'il y a eu le problème de l'avion présidentiel, euh, le mont Greboun qui venait remplacer le mont Bagzan. On était tenté de dire le nouveau avion du président. finalement, c'est comme il dit, il faut un apprentissage accru. Qu'est-ce que vous avez à dire Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait être capable d'apporter un remède efficace à cela un remède efficace, je crois que la question elle est claire. Tout à l'heure, le vieux parlait de, de la rigueur de l'enseignement du français. Je crois que c'est le socle de tout. Nous sommes dans une période que je qualifie euh, ravagée par le syndrome de la facilité. Mm-hmm. Que ce soit chez les jeunes, je veux taper à la porte des jeunes, mm-hmm. que ce soit chez l'enseignant qui porte la langue vers euh, l'élève il serait, peut-être vous allez trouver ça bizarre, mais actuellement, les séries scientifiques ont beaucoup régressé, mhm. que ce soit au Niger, que ce soit en France. Récemment, je suivais un reportage où l'État français est inquiet de l'abandon des séries scientifiques comme la série C. C'est la même chose, c'est pratiquement le même constat. C'est presque partout. Mhm. Mais quand tu vois des, quand on voit des, des reportages pareils, on se demande alors, en réalité, que cherchent les jeunes, mhm. que cherchent les élèves. Ils sont attroupés dans les séries littéraires. Mhm. Il est clair aujourd'hui, quand on fait des statistiques, on verra que la majorité des élèves vont dans les séries littéraires. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas Toute la question est là. Qu'est-ce qu'on leur apprend là-bas Toute la question est là. Qu'est-ce qu'on fait pour réellement les motiver Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup s'inscrivent dans les séries littéraires que pour s'assoupir, que juste pour être à l'aise, ne pas être dérangé, euh. parce qu'ils pensent que c'est à leur portée. Et ils engrangent les diplômes, parce que derrière, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail comme ça se doit, hum, hum. qui lui-même comporte des lacunes. J'aimerais parler de l'enseignant et qu'à la fin, on a un produit fini qui peut accéder à des postes. Aujourd'hui, on vient de parler des, autorités. D'accord, le système fait que on accède à un poste qui, qui est magnifique, mhm. mais il faut au moins que par sa qu'on accède que par sa, sa, sa, coloration politique, mais au moins il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes, parce que le métier tel qu'on le présente, on devient une image. Et tout à l'heure, le, vieux, euh, a parlé de l'école de la rue. Quand quelqu'un, un enfant qui est devant la télé, entend un ministre ou une autorité de ce pays qui parle avec des erreurs, mais soyez-en sûrs qu'il va commettre les mêmes. Et il va défendre Mordicus que c'est la bonne formulation. Mhm. Parce que pour lui, il a appris de vive voix. Je vais vous raconter une histoire qu'on entend souvent, que j'ai mhm. vu euh, Abdou Diouf, mhm. qui était le secrétaire de l'OIF, qui disait que Senghor, quand il était président, il a l'habitude de leur renvoyer les lettres administratives qu'il reçoit de leur part mhm. avec des corrections pour leur dire que la rigueur va dans tous les sens. Nous sommes en train. Euh, Je confirme, j'ai des copies. Voilà. Donc, <coughs> donc cet, mm-hmm. état de fait, je crois que il est réel. Il faut que eh, le réveil soit sur tous les plans. Mm. Sur tous les plans. Maintenant, eh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que les jeunes lisent. Moi, j'ai toujours dit, il faut que les jeunes lisent. J'ai rencontré des jeunes qui sont, qui sont merveilleux quand tu les entends parler. Mm-hmm. Mais à peine tu leur fais écrire une phrase, tu es dégoûté. Pourquoi Parce que on a une jeunesse qui apprend les choses qui sont alors à sa portée, mhm. c'est-à-dire l'immédiat, et ils consomment. ils font de ça eh, une raison sur laquelle ils ne sont pas prêts à revenir. Donc, l'enseignement, il doit être la base de tout. Il doit être la base de tout. Et eh, je crois que avec toute cette pléthore euh, mm-hmm. d'enseignants qu'on a, le métier d'enseignement, c'est-à-dire d'enseignant qui est devenu, c'est-à-dire un refuge, un guimpin, comme euh, l'a dit euh, le, le, vieux, nous on apprécie, moi j'ai apprécié la réforme de l'État qui tend à les évaluer. Mm-hmm. Tout, tout, discours politique mis à l'écart, parce que on risque de se trouver à un blocus dans les années à venir. Aujourd'hui, on ressent le problème, mais je vous assure, ce qui va venir après ne donne pas un bon présage. On ne va pas faire ce débat parce que ceux qui contestent disent que c'est l'aspect illégal et c'est un débat qui est un peu politique. <laughs> donc, franchement, on ne va pas. Hein. voilà, on a, on a déjà fait ce débat au niveau du studio Kalangu. que j'étais sidéré dans ce test-là, euh, j'ai vu même qu'il y avait des fautes dans les items. Dans même, il y avait des fautes de grammaire. C'est terrible alors, c'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire dans leur épreuve même, il y avait des fautes de grammaire. Même quand il parle il fait des fautes. D'accord. C'est un problème. Donc, il doit être évalué aussi, s'il vous plaît. S'il faut vraiment faire le débat normal, il faut d'abord sanctionner. Et beaucoup de gens doivent faire la prison parce qu'ils ont trahi la nation. Le problème, ce n'est pas les enseignants qu'il faut voir. C'est d'abord comme euh, notre papa l'a dit, c'est le problème de l'école normale. Ils ont amené à l'école normale, ils ont trouvé d'abord deux ans, on a ramené un an de formation. Un an de formation et on fait 100%. Ça veut dire que on veut seulement que les gens viennent s'asseoir, non pas pour être évalués. L'enseignant n'a pas été évalué avant d'être lancé dans une classe. Mm-hmm. Donc tout le monde admet moi, à Tilaberi en 2008 ou 2009, j'étais parti correction bac. Et ça coïncidait, la semaine-là, le texte de fin d'année à l'école normale allait se passer. Chez euh, mon hôte, sa femme fait partie des candidates. Avec ses amis, elles m'ont demandé de les aider. J'ai pris euh, un texte dans ma tête. J'ai dit d'analyser quelques mots. Je vous le jure, elles sont trois ou quatre. Il n'y a pas une seule qui sait distinguer Adjectif qualificatif. Je vous le jure. Et elles sont toutes admises. Elles enseignent. Donc, me dire qu'on doit évaluer, non, c'est de la politique il y a des gens qu'on veut écarter du système. on ne va pas faire ce débat. On revient, pas le débat. on revient, s'il vous plaît, on revient sur le bon usage de la langue. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que la dictée soit supprimée, on se rappelle avec euh, le ministre euh, Danda et ensuite euh, ramené ramenée avec les autorités de la 7 République, aujourd'hui modifiée, est-ce que la dictée n'a pas un impact par rapport à ce bon usage de la langue Comment dirais-je Je vous ai dit de le début au Niger, c'est une politique de liquidation du système éducatif qui est programmée. On ne forme pas, on ne veut pas que les gens deviennent des gens cultivés. Le Niger, on veut seulement. C'est pour ça que j'ai dit la politique de, de la promotion des scientifiques, c'est dans le but tout simplement de former des gens, des suivistes, Hein, des bénis oui oui, hein, et non pas des gens capables de réfléchir, de devenir des concepteurs. Mais même parmi les scientifiques, il y a des grands littéraires. Le euh, président de la République, Youssouf Mohamedou, il a un bac C. Oui, euh, mais il a un bac C de quelle année Aujourd'hui, on parle, je parle d'aujourd'hui. Hmm. Avant, quand on est littéraire, sois sûr qu'on est littéraire parce que on a, on a vraiment la, euh, les compétences pour être littéraire. Quand on est scientifique, on est un vrai scientifique. Mhm. Aujourd'hui, en TD, vous allez trouver des élèves qui ont un en maths, 0 en maths. Mhm. Et comment Moi, j'ai un élève actuellement qui a fait 4 fois le bac D. Il est revenu en TA. Il est brillant en TA. Mais comme on l'a toujours dit que le, que le bac D est mieux que le bac A, il m'a dit que lui, il veut le D. rien que le D. Je, je lui ai dit, tu ne peux pas admettre au D du fait du mot où tu n'as jamais dépassé un en maths, <laughs> un en SVT. Chaque année, il a un en maths ou un en SVT. Et il dit non, il faut le bac D. Cette année, il est revenu en bac A. Ah, il est en terminale. je voudrais revenir à oui, euh, monsieur là, euh, parce que les gens ils n'ont pas compris en fait euh, les objectifs de la dictée. Euh, je veux sommairement l'expliquer en tant qu'instituteur. Vous savez, c'est une discipline carrefour pour évaluer des tas de compétences. Si euh, cette sous-discipline a été instaurée, ce n'est pas pour rien. Mmh. Vous voyez bien, non seulement à travers la dictée, vous pouvez euh, évaluer euh, un peu chez l'enfant, en fait, les sons. Mmh. D'abord, la grammaire. Vous avez la conjugaison. Vous avez euh, aussi, euh, si je dis son phonétique, etc., etc. Donc, on ne le fait pas pour euh, faire souffrir l'enfant. C'est des compétences qu'on a pensé soi, qu'on est en train d'évaluer dans cette dictée-là. Et quand elle n'existe pas, eh bien, les, les enseignants vraiment sont complètement démunis. Euh, actuellement, euh, en France, eh bien, tous les matins que Dieu fait, eh bien, a des cours, des, classes dans lesquelles cette dictée est ramenée. On l'a fait. On est en train de la faire. Nous, donc, ce n'est pas euh, la langue maternelle, c'est la langue de communication et nous sommes agrippés, nous sommes en train de nous euh, d'enlever cet outil-là qui est vraiment un outil efficace pour indispensable. Parce que quand vous évaluez, vous enseignants, vous allez remédier. Vous voyez, mes enfants ne savent pas faire la conjugaison euh, d'un verbe au présent les, accords du du président de l'indicatif, les accords du parti passé, etc., etc. Ça vous donne une image, c'est un outil. Vous revenez en classe, vous dites, tiens, tant d'élèves n'ont pas compris ceci, donc je reprends cela, je fais mes pourcentages et je remédie. Ils avaient dit que c'était quand même pour rehausser un peu le ah, niveau de réussite, le taux de réussite et, qui était très bas. Et vous les incitez mieux à la lecture, qui est quelque chose de fondamental dans l'apprentissage de la langue. Parce mhm. que nous, c'est l'époque ancienne. Hein. Vous voyez, les illustrés, quand nous, on était un style de Brousse, vous amenez une trentaine de romans mhm. parce que vous n'avez pas de télévision, vous n'avez pas de cinéma, vous ne vivez que de ça. Et c'est des textes qui sont bien écrits. Tant que ça vous distrait, que ça vous cultive. Mhm. Oui. Un exemple de phrase, j'ai trouvé un verre de terre dans mon verre placé vers la souris. Des exemples comme ça. on le fait pour voir la compétence de l'enfant. Un verre de terre qui est l'animal dans un verre qui est l'instrument, etc. Bon, tout ceci, quand le vocabulaire est bien enseigné, vraiment, il n'y a pas de souci. La grammaire française quand elle est bien enseignée, au cours moyen, déjà, vraiment, vous maîtrisez l'essentiel. Mhm. Il suffit d'un petit effort dans les autres classes ou bien dans votre vie professionnelle pour vraiment euh, atteindre vraiment un bon niveau. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Un appel, à Monsieur René Razak, vous avez été quand même euh, un héros dans ce combat puisque vous êtes médaillé, on l'a dit, au dernier jeu de la francophonie. C'était une grande surprise. Votre appel euh, pour terminer. Vous savez, au Niger, où à peine un tiers de la population est alphabétisée, mhm. donc les enfants vont à l'école euh, sans apprendre à parler le, français mhm. au préalable. Pourtant, c'est dans cette langue que ces enfants sont appelés à être formés et plus tard à travailler. Donc, l'enseignant n'apprend pas à lire et à écrire à l'enfant. Il mhm. lui apprend aussi à parler la langue. Mhm. Donc, avec un tel état de fait, je, je me rappelle de, de l'instauration du symbole dans les écoles, qui, vont pour remplacer la chicotte, les enseignants avaient eh, inventé un symbole, par exemple une queue de mouton qu'on faisait porter à tout élève qui oserait parler une autre langue que la langue officielle. <laughs> Donc, dans cette bataille, beaucoup se sont améliorés. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y avait la première génération d'enseignants du Niger mm-hmm. qui avaient été formés de cette façon. Mm-hmm. Mais qu'après, on a encore enlevé le symbole parce que certains ont trouvé une connotation néocolonialiste dans la chose. Et on a passé carrément au laxisme. C'est-à-dire, on laisse les enfants le libre choix d'aller vers ce qu'ils veulent, qu'ils parlent ce qu'ils veulent, alors que derrière, il y a une réalité. Mhm. On est obligé, c'est le, français aujourd'hui est comme une camisole. Mhm. Comme une camisole pour nous, et dans laquelle nous nous trouvons. Et nous sommes obligés parce que nous avons décidé d'aller vers ce sens, de la parler. Donc autant bien le faire mhm. sur tous les domaines. Aujourd'hui, quand on dit que la dictée a été supprimée, mais on se demande où est-ce qu'on veut arriver. Elle n'est pas supprimée actuellement, elle est présentée sous une forme. Oui, sous une forme. Je parlais, écrit les je tout de suite du syndrome de la facilité, mhm. qui, qui n'est finalement pas instauré que. Qui, qui vient même euh, des de plus hautes autorités. Merci à vous, merci à vous, Monsieur René Razak. Monsieur Souman Chamsou, pour terminer, selon vous, à qui euh, cette responsabilité incombe finalement de faire en sorte que la langue soit bien parlée par tout le monde Et votre mot euh, pour terminer. Il faut forcément retourner à la politique. C'est l'homme politique, c'est à lui de prendre en charge cette situation. Mhm. Les banderoles, les affiches, les bandes annonces de télévision, quand vous regardez comment on fait des abréviations, non, s'il vous plaît, un journaliste qui fait abréviation bande annonce entre nous, s'il vous plaît, ça s'entend qu'il n'y a pas de sanction, qu'il n'y a pas de suivi de la langue. Aujourd'hui, si euh, à travers euh, le ministère de, ou bien les ministères en charge de l'enseignement, de l'éducation, euh, de la formation, ces ministères se rejoignent pour euh, prendre des mesures pour suivre l'usage de la langue, tout serait résolu. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de politique. C'est une volonté politique qui manque. Et je vais dire, cette euh, volonté politique, elle fait défaut même chez le colonisateur à qui la langue, à qui la langue appartenait au début et qui, avant, aidait les pays africains. Mhm. Avant, c'était euh, l'AMSAD. Moi, j'avais fait plusieurs concours. J'avais même organisé, quand j'étais au Corombe, des concours littéraires. Vous savez, quand j'organisais le journal euh, Oui. J'avais pris attache avec le service culturel et il nous aidait dans la promotion de tout ce qui a rapport avec la langue. Aujourd'hui, quand vous les touchez, ils ne sont pas prêts parce qu'ils disent que eux, ils ne peuvent vous aider qu'un livre. Mhm. Ils ne peuvent vous aider qu'un livre. Vous savez, le Nigérien qui lit. Donc, quand vous organisez des concours où le prix à donner ne sont que de livres, il n'y a pas un engouement de la population. Merci à je vous. Je pense qu'il faut mhm. que l'AMSAD culturelle de la France aussi mettre sa main dans le bon usage de la langue française. Merci à vous. Nous sommes donc euh, au terme de ce forum qui a porté sur euh, l'usage correct de la langue euh, française. Nous avons reçu comme euh, invité pour euh, ce forum euh, du studio Kalangou M. El Mokhtar Issifi. Il est présentateur de l'émission Le Vieil Instit, une émission didactique qu'il présente à la télévision nationale Télé-Sahel et qui porte justement sur ces questions. Le second invité, c'est M. Soumane Chamsou, écrivain et professeur de français au lycée. Le troisième, c'est Monsieur René Razak. Il est le médaillé d'or en littérature, le premier au Niger au jeu de la francophonie, les huitièmes qui ont eu lieu en juillet 2017 en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous donc qui avez suivi cette émission. Nous retenons que le bon usage de la langue doit concerner tout le monde et des efforts euh, immenses sont à fournir euh, à tous les niveaux. Le remède passe notamment par euh, la lecture, mais aussi chacun doit s'intéresser à cette question afin de trouver des solutions idoines pour la jeunesse de demain. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Michel Deji à la réalisation, Boubouka Diallo à la technique, Hassan Tawai. Passez d'excellents moments. Au revoir.